sous l'égide du ministère de l'élevage et des productions animales, M. Ali Diop Renli, le regroupement des éleveurs de Ngarem Limamoulay, à sa tête le président d'Ambaï, Mbok Sénégal, la cinquième édition du salon Le Ramadan des éleveurs, Diap du 7 au 10 avril 2023 fan ca terrain San Siro ne won fa woon mbokk yi ah mbokk yi événement bi ñu darajaale ko nak un grand monsieur un grand champion dans l'élevage du Sénégal monsieur Cheikh Aïdara borom bergerie Al Khouraychi un concours mâle adulte ak femelle adulte nous avons la grande dame la dame de cœur et de classe madame Fatoumata Doumbouya mâle espoir ak femelle espoir nous avons le champion Alun Badiane Agno et Agnel, nous avons le champion Tala alias Talaseras. Seras kon Senegal, mbokki Sénégal nous avons na le ramadan des éleveurs comme toujours rek nek ca kaw kon Dal moy li ñuy def weetuñu ci ndax ñu ngi ci and ak la baguette d'or ciowli ciowli coow Sénégal rendez-vous baangi nonu. du 7 au 10 avril 2023 fan ca terrain Sen Sero la dimension la plus élevée de l'élevage du Sénégal